Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Isidio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. La libération de Salim Bazoum, fils du président de CHU, Bazoum Mohamed, qui a bénéficié d'une mise en liberté provisoire lundi 8 janvier 2024. À suivre dans notre Forum de la presse, la levée des exonérations de taxes sur cette produit de première nécessité au Niger. L'actualité, c'est aussi la dissolution du conseil communal de Gaïa, conformément aux conclusions de l'enquête menée par l'inspection générale de l'administration territoriale. L'annonce a été faite en conseil des ministres du jeudi 4 janvier passé. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Memouna Diadou, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Abba journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Et Hussein Sajibo, journaliste indépendant. Hussein Sajibo, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Nous le disons en titre, Salem Bazoum Mohamed, fils du président déchu Mohamed Bazoum, a bénéficié d'une mise en liberté provisoire lundi 8 janvier 2024. Maître Saïd Oud Salem, l'avocat de la famille du président Bazoum Mohamed, confirme cette libération. De son côté, le ministère togolais des Affaires étrangères indique dans un communiqué publié à la même période que le fils de Mohamed Bazoum Salem a été libéré à titre humanitaire suite aux négociations entre la CDAO et les autorités nigériennes. Mais Diado, je sais que vous avez suivi le processus de libération de Salim Bazoum de bout Que peut-on retenir au sujet de cette libération Bon, ce qu'on peut retenir, ou bien ce que moi je pense de euh, cette libération, d'ailleurs, il faut noter que c'est une libération qui vient à un moment où euh, la CDAO est en négociation avec, euh, bien sûr, le Niger. Et ça a été conduit par le président togolais fort, puisque nous savons que déjà l'avocat de la famille de Bazoum avait euh, à un moment donné introduit la requête euh, de libération de Salem et de l'épouse euh, et de sa maman. Et de sa maman. Donc, bon, si c'est aujourd'hui des préalables ou bien des conditions qui ont été posées pour que les négociations puissent se dérouler autrement, et je me dis que c'est bien. Et, mais il faut noter que Salem n'a pas été quand même séquestré il n'est pas en prison, comme l'a dit, le président, comme l'a dit le président, je reviens sur ce que a dit le chef de l'État, que aux premières heures du coup d'État, il avait demandé à ce que Salim et sa maman puissent quitter les locaux de, la présidence, du palais présidentiel. Mais c'est un refus catégorique de Bazou Mohamed qui a fait en sorte que le fils est resté en compagnie de sa maman. C'est ce que disait le président voilà, Voilà, donc qu'on parle de liberté provisoire ou bien qu'on parle que c'est à titre humanitaire, l'essentiel, c'est un jeune qui n'a rien à voir avec euh, le coup d'État. Le coup d'État, il doit aller continuer ses études. Bon, il est parti. Euh, espérons que maintenant, ça va donner l'avantage aussi de revenir sur des négociations, puisque si c'est des préalables, des conditions qui ont été posées, euh, je pense que l'une des, des, préalables ou bien des conditions a été déjà euh, gain de cause puisqu'il a été en fait libéré. Même si c'est une liberté provisoire, quand même, il est libre. Merci beaucoup, Mme Gado. Abakari détenu avec son père renversé en juillet par un coup d'État militaire, Salem Bazoum, 22 ans, a été libéré lundi et a rejoint le Togo. Votre avis à ce sujet Bon, euh, je crois que euh, chacun a envie que ça bouge euh, un peu. Entre le Niger et la le Niger, la CDAO, l'UMOA, l'UA, tout ça, l'opinion internationale, je crois que cette affaire a trop duré et donc il faut que ça bouge que ce soit le CNSP euh, qui le libère, que ce soit la justice, que ce soit à titre euh, provisoire euh, que, ou vraiment humanitaire, l'essentiel est que aujourd'hui quelque chose a bougé. Euh, maintenant, les Nigériens s'attendent à ce que de l'autre côté aussi. Quelque donc, donc, cela euh, confirme qu'il y a euh, réellement des négociations en cours, contrairement au dire de certains médias internationaux. Et je crois que chacun est sous pression d'ailleurs. J'ai vu le ministère des Affaires étrangères togolais a fait son communiqué. Le ministère du Nigeria des Affaires étrangères a fait un communiqué. Donc, en tout cas, la volonté y est apparemment. Maintenant, le peuple nigérien, qui reste sous pression, euh, bien qu'il reste digne, bien qu'il reste euh, résilient, euh, le peuple nigérien est sous pression parce que les frontières sont fermées, parce que le voisin du Sud a coupé son électricité, et que certainement nous sommes en train de consommer de l'électricité un peu euh, chère, certainement, parce que euh, à plus de 80%, c'est euh, à partir de, groupes électrogènes que, que ça part. donc, il faut que quelque chose bouge, puisque il a été dit et plus, à plusieurs reprises que c'est le CNSP qui reste fermé. Aujourd'hui, ça a bougé, à mon sens, et on a euh, la preuve qu'il y a des négociations entre les partis. Et donc, vraiment, euh, quand on parle de négociations, euh, tu lâches un peu, je lâche un peu. on va voir jusqu'où la volonté de la CDAO va aller. Et je pense que il faut se consacrer plutôt à l'après-transition, à la transition elle-même et à l'après-transition. Parce que fondamentalement, aux yeux de l'opinion internationale, et même à nos yeux, la véritable transition n'a pas encore commencé parce que l'agenda est suspendu aux négociations, mais aussi, bien sûr, à, cette affaire de, conseil consultatif qui sera mis en place. Bon, je ne sais pas s'ils vont l'appeler ainsi. Mais, voilà quoi. Donc, euh, c'est un petit truc qui vient faire bouger un peu les lignes les Nigériens avaient envie de, le savoir, bon, l'opinion internationale aussi, quoi. Merci beaucoup, Arimi Ousseini Sajibou. Selon une décision du tribunal militaire de Niamey, Salem Bazoum a bénéficié d'une liberté provisoire du juge d'instruction du tribunal militaire en date du 8 janvier 2024, à pour lui de répondre à la justice dès qu'il sera requis. Quelle est votre opinion sur ce feuilleton judiciaire ah, Moi, je vais dire d'abord que ce n'est pas un feuilleton, c'est un faux feuilleton judiciaire. Selon vous Bien évidemment. Si quiconque a écouté Chani, il dit que le lendemain du coup d'État, il a envoyé quelqu'un de proche pour le dire la femme et l'enfant il a dit lors d'une interview qu'il a accordée euh, à la télévision nationale. Voilà, ils peuvent s'en aller. Et ils ont décidé de rester avec leur paternel, n'est-ce pas Ensuite, on a vu un peu les péripéties parce que, bon, je ne sais pas c'est quoi qui a maintenu, parce que quand il y a ce genre de coup d'État, on a connu plusieurs coups d'État, n'est-ce pas Au karma, la famille, là, la famille n'est pas inquiétée. C'est juste le président qui est inquiété. Cette fois-ci, ils ont décidé de rester ensemble il y a eu le procès à Niamey où il a été décidé de le libérer, où le juge a décidé sa libération. L'affaire allait jusqu'à à la cour de la CDAO, n'est-ce pas En fin de compte, c'est à 20 il fallait encore reprendre l'acte. Le tribunal militaire a posé l'acte consistant à le libérer. Bien évidemment, quand les gens parlent de ils sont emprisonnés, moi je dis ils ne sont pas emprisonnés parce qu'ils ne sont pas en prison. C'est différent. Mais ils sont quand même, ils sont pas quand même libres de leur mouvement. Mais, euh, ils sont, ils sont quand même dans le lieu le plus intéressant qu'on puisse, là où on peut vivre. C'est quand même la, la, la, présence, la présence de la République. C'est quand même le lieu, en tout cas, on peut considérer que c'est le lieu le plus important, en tout cas, la résidence la plus importante dans un pays. Oui, mais euh, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Oui, mais libres de leur mouvement, comment peuvent-ils être libres quand il s'agit de la femme et de l'enfant, ils pouvaient être libres de leur mouvement. Mais ils ont décidé de rester ensemble, n'est-ce pas C'est ça qui a été dit, c'est ça qui a été entendu, et Tchani aussi a confirmé cela. Aujourd'hui, parce qu'avec, euh, comment dirais-je, euh, euh, l'usure du temps, et puis bon, ils ont estimé qu'ils ont compris qu'il fallait s'en aller. Ça s'inscrit un peu dans le cadre des négociations, n'est-ce pas Comme Henri vient de le dire n'est-ce pas Parce qu'il y a eu des émissaires de la CdaO qui sont venus dans la première semaine, la semaine dernière, et c'est suite à ça que bon, il y a eu l'acte d'élargissement du fils. Peut-être l'élargissement aussi de la dame va intervenir. Mais moi, je vais dire une chose, c'est que aussi la Cdao aussi montre une preuve. Parce que vous n'allez pas demander à chaque fois, sans pouvoir montrer de votre côté. De l'autre côté, qu'on fasse des concessions. Qu'on fasse des concessions, bien évidemment. On ne peut pas continuer à dire faites ça, faites ça. La toute première fois, il était question qu'on puisse visiter Bazoum pour voir la situation dans laquelle. Ça a été fait Ça a été fait. Aujourd'hui, ils sont revenus avec cette affaire où il y a eu même un procès au niveau de la Cour de justice de la CEDAW. Mais aujourd'hui, qu'ils fassent au moins un pas, parce que les gens continuent, quoi qu'on dise, hein, les gens souffrent. Non seulement de la fermeté de frontières, mais des problèmes des banques, des transferts. Mmh. Ça, c'est important. L'accès à la liquidité. Mais bien évidemment, ça, c'est un gros problème parce que ce n'est pas un problème qui concerne, ce n'est pas uniquement le gel de fonds de l'État. Les privés même sont concernés et il y a beaucoup de choses qui sont bloquées du fait de cette situation-là. Il va falloir qu'ils songent au moins à dire, bon, on va, on va quand même un peu euh, décanter la situation au niveau des, banques pour permettre aux citoyens de souffler. Mais on n'a pas l'impression que quelque chose a changé. Alors que de ce côté, du côté du Niger, quand même, des gars sont en train d'être donnés qu'ils veulent de cette détente-là. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on dise non. Après cinq mois, il faut quand même créer les conditions pour que les gens commencent un peu à, souffler. Parce que les gens, quoi qu'on dise, hein, on parle de résilience et tout et tout. Ceux qui travaillent avec l'extérieur, ils savent de quoi je parle. Ils ont toutes les difficultés de ce monde pour mettre en œuvre des projets et sujets, ceci, cela quand vous avez des partenaires de Alors, ça doit continuer comme ça jusqu'à quand il faut que ça change. Parce que fondamentalement, ce n'est même pas la frontière de, la fermeture des, frontières, mais c'est cette question de... De, l'accès à la liquidité. le truc des banques là, où on dit qu'on ne peut pas transférer de l'argent. Il y a beaucoup de partenaires qui sont bloqués aujourd'hui du fait de cette situation. Qu'on ne peut pas étirer. Alors, est-ce que ça doit continuer Moi, j'ai dit, il faut vraiment que ces gens, ils, ils œuvrent aussi pour montrer qu'ils sont de bonne foi. Au moins... Ça, ça va soulager les citoyens quelque part, ça va soulager tous ceux qui travaillent avec des partenaires extérieurs et qui sont confrontés, dont les projets sont bloqués souvent. Pour combien de temps ça va durer encore Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Mohamed Bazoum et son épouse Adiza restent gardés dans la résidence présidentielle. Question unique à vous trois. Euh, selon vous, cette décision va-t-elle contribuer à décrisper les relations entre la CDAO et le Niger Je commence par vous, rapidement, en 30 euh, secondes. Absolument, absolument. Je crois que la, situation, ce n'est pas... Ils ont peut-être un problème de calendrier, d'agenda, mais tout laisse croire que le, climat entre euh, les deux parties n'est pas du tout crispé. parce que à part le premier jour ou un ou deux jours après le coup d'État, quand euh, la délégation constituée du chef de l'État est venue, et que la foule leur a empêché d'accéder à la ville et qu'ils sont retournés à partir de l'aéroport. À part ça, je crois qu'ils sont venus euh, régulièrement, à notre connaissance ou pas. Et apparemment, le contact est resté quand même euh, assez régulier. Quant au Togo, qui fait partie des trois qui ont été désignés, les Togolais qui font partie des trois pays qui ont été désignés pour euh, conduire cette euh, négociation, euh, le contact est même, je dirais, permanent. plusieurs euh, délégations qui ont séjourné, euh, y compris le président Tchani. Voilà, est même allé là-bas. Et le, ministre des Affaires étrangères, apparemment, il est régulier ici au Niger. Donc, je crois qu'il n'y a pas de crispation en tant que telle. Il y a des exigences. Et là, euh, le CNSP vient d'accéder, je le dis de, vraiment, que, que ce soit, quelle que soit la manière, en libérant euh, Salim. J'espère que la CDAO, n'est-ce pas, va se concerter. Je crois que c'est plus lent de leur côté. merci, beaucoup, Abba Tchariarimi. rapidement. Eh ben, rapidement, on attend aussi de leur côté la détente. Moi, je dis c'est important parce que, imaginez, la dernière fois, j'ai suivi sur RFI où Serge Daniel dit qu'on a décidé du report. Et j'ai vu ce matin, j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'est faux. La rencontre de, machin. La, bon, maintenant, la, médiation. La médiation. Maintenant, ça, rime à quoi Ça rime à quoi on continue. C'est comme si de l'autre côté, comme on l'a toujours dit ici, que la CEDAO est un instrument entre les mains de la France qui décide de l'agenda, comment les choses doivent se passer. Alors, ah il faut mettre fin à ça. Moi, j'ai dit, il faut mettre fin à ça. Aujourd'hui, talon à chaud. Talon lui-même a chaud. Le président béninois. il a très chaud. Il a très chaud. Son économie à terre. Il est pressé de voir cette situation se décanter. Comme nous aussi, nous sommes pressés de voir quand même la reprise des transactions bancaires. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, moi je ne le cache pas, qui sont bloquées du, fait de cette situation. Hein. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Mais rapidement. moi je pense que les deux ont déjà parlé euh, dans le sens euh, d'alléger, en tout cas d'aller vers une négociation très rapidement pour pouvoir décanter la situation. Et je pense que c'est un premier pas déjà fait par le Niger en libérant Salem. Donc je pense que vraiment maintenant s'il y a euh, quelque chose à bousculer, ça devrait venir, du, côté de, la CDAO. Voilà pour que on puisse au moins sentir que vraiment il y a des négociations qui sont en train de se faire. Et voilà les résultats qu'on est en train d'obtenir à travers donc euh, ces négociations. Merci à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, la libération de Salem Bazoum. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On a servi une courte pause. Euh, passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse euh, du studio au Kalangou. Une circulaire du ministère de l'économie et des finances publiée le 2 janvier informe la population nigérienne sur la levée de la mesure de réduction de la base taxable de 10 produits alimentaires. Selon le document, le riz, l'huile alimentaire, bouillon, préparation alimentaire, farine de blé, pâte alimentaire, lait, concentré de tomates et conserve de sardines sont les produits concernés par la mesure. En vigueur depuis le 1er octobre, cette mesure a pris fin le 31 décembre 2023. à Arimi. En vigueur depuis le 1er octobre, cette mesure a pris fin le 31 décembre 2023. Qu'est-ce que cela pourrait changer dans la vie et les habitudes alimentaires des Nigériens dans les jours à venir Bon, euh, je crois que la décision euh, de cette réduction, en fait, euh, de la base taxable, a été faite pour soulager un peu la population suite à tous ces conseils le renchérissement des produits des premières euh, nécessités, les 10 produits que vous avez euh, cités. Mais selon ce que j'ai vu sur la décision, c'était une décision sur trois mois. Du 29 septembre, ça a été pris, la décision a été prise le 29 septembre et ça devait prendre fin le 31. donc, ça n'a pas été renouvelé. Euh, je crois que c'était pour expérimenter. Vous savez. Euh, Selon vos propres recherches, pourquoi ça n'a pas été révélé J'en viens. Hum, allez-y. Euh, j'en viens. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était pour soulager que c'est fait. Mais après trois mois, qu'est-ce qu'on constate N'est-ce pas Le prix du riz, qui est le premier produit de première nécessité, parce que c'est notre alimentation de base, euh, ça a explosé. Aujourd'hui, le riz, il y a 17 Donc l'effet contraire. Le sac de 25 kilos. N'est-ce pas Non, ce n'est pas l'effet contraire, mais on ne sent pas l'effet de. Oui, mais euh, la, mesure a été prise pour un peu diminuer, atténuer les prix. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, autrement dit, on l'a dénoncé à à maintes reprises ici, que nos frères, nos parents euh, commerçants, n'est-ce pas Peut-être que si nous aussi on était commerçants, on allait agir de la même manière. On ne rate aucune occasion, n'est-ce pas, pour vendre plus cher et contrairement à ce que veut notre religion, pour vraiment maximiser le bénéfice qu'on peut se faire sur un produit et sur un laps de temps très court. C'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je pense que ce que le gouvernement a constaté, c'est cela. Et donc, que l'État paye euh, perdre à peu près 25% sur la base euh, taxable et de retour, euh, les citoyens nigériens n'en bénéficient pas du tout. Donc, c'est quasi vraiment une perte sèche doublement la population perd et l'État. Oui, oui, mais est-ce que l'État ne doit pas réagir d'une autre manière Non, non, non, ça c'est déjà une réaction. On revient là-dessus. Maintenant, puisque aujourd'hui, le prix quand même à partir de la commande est mieux contrôlé parce que les produits rentrent, rentrent sous escorte. Avant d'aller chercher, on sait qui a commandé quoi, combien de véhicules rentrent et tout. N'est-ce pas Mais malgré tout, le, le, le, le, prix ne fait que grimper. Parce que ce n'est pas fini, en fait, tout, même les produits, euh, les légumes et autres, dont c'est le moment, dont, dont c'est la période, contrairement au temps passé, c'est encore plus cher. Chacun essaie de se rattraper et de décider de vendre plus cher, tout simplement, parce que lui, il achète l'autre produit. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas d'impact. Maintenant, il y a des réflexions. Il y a des réflexions doit, l'État doit réfléchir à son niveau, mais aussi nos nos, commerçants. Il y a un problème sérieux qui se pose à ce niveau. On, est, on parle de patriotisme, de nationalisme, de l'amour de la patrie, mais dans les faits, les faits, dans les faits, on ne les sent pas. C'est de cela qu'il s'agit. Quel est le commerçant qui va limiter au strict minimum son bénéfice, c'est-à-dire le prix de, de revient plus le minimum, n'est-ce pas et puis voilà, il s'arrête à ça. Il n'y a pas. Aujourd'hui, on a compris que même ceux qui essayaient de par le passé de vendre un peu moins cher par rapport aux autres, ce n'est plus le cas. On nous a même dit qu'ils refusent de vendre directement et ils placent chez des commerçants qui vendent cette situation, à qui la faute euh, Écoutez, le, vous savez, on a l'État n'a pas, le gouvernement n'a pas il n'a pas de responsabilité. si on n'a pas atteint là où on peut tout remettre entre le, libéralisme vraiment absolu, on n'a pas atteint ce niveau-là. Nous avons euh, une population pauvre à 60%, vraiment moins de euh, d'un dollar, de deux dollars par, par, jour. C'est vraiment la marge inexistante. Les prix doivent être nécessairement contrôlés. Et c'est pourquoi moi j'étais très d'accord avec des trucs, des structures comme la CoPro, n'est-ce pas, qui, chez qui on peut aller au moins savoir qu'est-ce que un produit normal peut coûter. Aujourd'hui, si vous ouvrez... La copro, c'était autant, autant de, de Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ça s'est aggravé. N'est-ce pas Ça devait être là. Aujourd'hui, c'est le cas. Euh, euh, c'est-à-dire le savon qui se vend à 100 francs. À l'époque, c'était 75 francs, et plus 1 franc, quelque chose comme ça. Ça se vend au même prix à Niamey et à Bilman. Pourtant, c'est de Niamey que c'est transporté. Même le fruit de transport est géré et assumé par tout le monde. Non, par tout le monde en fait. Parce que euh, même l'État, quand il fait ça, c'est juste qu'on partage le prix entre les derniers consommateurs que nous sommes. Donc c'est de cela qu'il s'agit et il nous faut créer des conditions de ce genre, contrôler le prix nécessairement. Et aujourd'hui, l'expérience nous a montré hein, que on a bien fait de ne pas tout privatiser. Si la Nigélec était privatisée, avec cette crise, on était mort. Merci beaucoup. Si la Sonidep était privatisée, on était mort. On n'allait même pas pouvoir se déplacer. merci beaucoup, cela et on attire l'attention. C'était les mêmes institutions internationales qui nous ont imposé la privatisation des sociétés publiques et on doit revenir là-dessus dans la mesure du possible. le problème qui se pose au niveau de la scène, on doit saisir la balle au, bon. Parce que sinon, on ne va pas boire. Il y a des pays où même l'eau potable à boire dans la capitale, ça cause encore problème. Merci Donc, beaucoup, on doit tout faire pour élargir l'accès à l'eau potable de nos populations dans le monde rural, au lieu de vendre ça et revenir, même à Niamey, tu ne vas pas avoir l'eau. Merci beaucoup, Abacharimi. Ousseini le gouvernement nigérien a également adopté un projet de décret pour réhabiliter la taxe sur la terminaison du trafic international entrant Tati, fixant le tarif minimum d'un appel international à destination du Niger selon un communiqué lu à la télévision nationale. Quelles sont les véritables attentes des Nigériens à ce sujet Vous savez, ces histoires-là, les Nigériens sont grigés, tout simplement. Ces histoires de téléphonie. Grigés par qui Mais par les compagnies, s'il te plaît. Mais qui peut griger les Nigériens Ce pas les compagnies qui offrent, c'est les opérateurs de téléphonie et autres. C'est l'un des rares pays de la sous-région où la téléphonie coûte cher, où l'Internet coûte cher. On est dedans, dans cette situation-là. Et les gens voient, ils acceptent. Il y a aussi certains qui, pensent aussi qu'il y a la mauvaise qualité euh, oui, mais bien euh, évidemment, Mais, bien évidemment, il y a la mauvaise qualité, il y a tout et tout. Il y a des jours où tu ne peux même pas appeler. Tu appelles 4, 5 fois. Ça ne passe Alors, pas. Ça passe pas. Alors, tu vas te retrouver dans une situation. Est-ce que ça, c'est un service Mais parce que tout simplement, quelque part, je me dis, OK, on laisse les consommateurs à, à la merci de tous ces opérateurs qui sont là. Maintenant, venir comme ça théoriquement dire qu'on a pris un acte pour faire ceci, cela, terminaison, machin, tout ça, c'est pas ça que les gens attendent. Les gens attendent des diminutions concrètes, n'est-ce pas Les gens attendent que. Sur les frais de communication. Mais, bien évidemment, mais bien évidemment, aujourd'hui tu mets 1000 francs, tu fais deux appels, on te dit tu n'as plus rien. Tu mets, mes gars, dans, ton téléphone, et dans ton machine tu, tu envoies deux messages ou quelque chose comme ça. On te dit après que c'est fini. Alors, on est dans quel pays ça c'est le seul, l'un des rares pays où les gens vivent cette situation-là. Ou quand tu vas dans d'autres pays, même de la sous-région Burkina, Mali, Sénégal. selon vous, l'Internet est un luxe pour les Nigériens Mais, ça mais c'est un luxe, mais parce que c'est cher. Mais attends, 500 francs pour mettre la, la, la, la, connexion, 500 francs pour mettre un méga. Alors que quand tu vas dans d'autres pays, tu peux mettre pour 1000 francs, ça va te faire pratiquement 4-5 jours n'est-ce pas Même pour télécharger un document, il y a des documents, quand tu veux le télécharger, c'est pas avec 500 francs que tu peux télécharger un document. Est-ce que ça, c'est normal Dans un pays pauvre, dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Et tout à l'heure, quand je vais rebondir sur ce qu'Arimé a dit. Allez-y, rapidement. Rapidement, je vais dire, quand on avait la détaxation, la, la, la base taxable à 25, ça a servi à quoi ça a servi, on a permis les commerçants, bien évidemment. Parce que quand l'État a mis, c'est pour qu'on puisse maintenir les prix initiaux qui étaient là en vigueur à l'époque. Mais ça n'a pas, été le cas. Les commerçants sont venus, ils ont dit, ah nous, ça nous coûte des choses comme ça, alors qu'ils ont eu beaucoup de facilité y compris quand on prend les marchandises, ils sont sculptés jusqu'au Niger. Il y a beaucoup de taxes qu'il faut payer sur la route qui n'étaient pas payées pendant toute cette période-là. Qu'est-ce qu'on a gagné dedans euh, Alors, maintenant, c'est à quoi il faut s'attendre c'est à quoi il faut s'attendre. C'est que les commerçants vont encore augmenter les prix. Non, ils vont augmenter. Le riz, tout à l'heure, a dit que ça fait 17 000. Avec, la levée de cette mesure-là. Ils, vont se dire non, ils vont augmenter. Oui, mais quelle sera euh, la, véritable solution à ce niveau La solution, c'est taper du poing sur la table. mais qui doit taper sur du poing L'État. L'État. L'État doit mettre le commerçant au pas il faut mettre un mécanisme de contrôle les place. Les gens ne vont pas crier pour dire qu'il la chasse aux sorcières. La, la, quelle chasse aux sorcières Par rapport à quoi Par rapport à quoi Vous ne pouvez pas, dans un contexte difficile, vous, vous ne voyez que vos intérêts. Pendant que la situation financière des citoyens n'a pas évolué, il n'y a pas une amélioration par rapport aux revenus des populations. Mais comment on peut laisser que des gens, parce que je suis commerçant, je viens, je raconte des histoires. Le sac de riz qu'ils te vendent aujourd'hui à 17 000, peut-être qu'ils l'ont acheté à 4 000 francs ou 3 000 francs. Au Burkina Faso, allez-y, vous allez constater le sac de 25 kilos, combien ça coûte. Pourquoi Quelle est la différence entre le Burkina et nous En termes de trajet même, ça fait quoi alors, est-ce que les gens de l'État, c'est parce que l'État est complice et il faut que l'État prenne ses responsabilités en sanctionnant les commerçants. On vous impose des prix, on connaît. L'État est censé connaître combien ça coûte à l'achat, n'est-ce pas Et on te dit, voilà, cette marge bénéficiaire, c'est déjà ça, tu ne dois pas dépasser ça et tu dépasses, on tes Merci que tu sois. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, Memoune Diado. Alors que le Niger est sous l'effet des sanctions de la CDAO, l'exonération de la taxe douanière des produits alimentaires en vigueur depuis le 1er octobre 2023 vient d'être retirée par le gouvernement. Euh, quelle est votre opinion à ce sujet hmm. <laughs> Je ne peux que suivre les autres aussi. Hein. Les autres qui... Mais, oui, oui, mes autres confrères. Parce que je me dis qu'il n'y a même pas eu, en fait, les consommateurs ne savaient même pas s'il y a eu une existence, euh, l'existence euh, de, ces, mesures-là. De, mesures-là. Puisque quand tu il y a l'existence de ces mesures-là, mais quand tu vas au marché, c'est tout à fait le contraire que tu vois. Donc, tu te poses la question, est-ce qu'on l'a fait pour nous soulager, nous, en tant que consommateurs, ou bien on l'a fait pour, enrichir que euh, les commerçants s'enrichissent sur le dos de ces consommateurs C'est ça qu'il faut se poser la question. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait plus de combien d'années que nous sommes dans cette situation où les commerçants ne veulent pas en tout cas descendre, même si euh, le produit est aujourd'hui vendu à 100 francs, le commerçant va toujours trouver un un alibi et des astuces pour dire que non, non, là où je le prends, ça coûte cher et c'est pour ça que je le vends comme ça. Non, non. On a dit appel à la patrie. Le patriotisme, je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai pas vu avec les commerçants patriotisme, parce que quand tu dis patriotisme... Vous, partez, dois... vous régulièrement au marché Mais je pars tout le temps au marché. Même pour la simple curiosité, pour aller demander certains produits, les prix de certains produits, mais je vais au marché. Et c'est même une habitude pour moi d'aller vérifier. Le sac de, de, de, 11 000 ou 10 000 ou 9 000 sac de, de riz de riz de 25 kilos de 25 kilos qui est revenu, s'il te plaît, à hauteur de 16 16 500. Mais on va aller où Donc, la boîte de sardines, peut-être qui était à 300 ou 300 ou 200, moins de 300, aujourd'hui c'est à 350 ou 300 400. 400. Pâte alimentaire, c'est aujourd'hui à 400, 450. Le litre d'huile, c'est à 1000 francs, 1250. On m'a rapporté que c'est arrivé encore à 1250 à, à, des endroits. Donc, ça veut dire que même chez le boutiquier qui est dans ton quartier, tu peux avoir deux boutiquiers qui n'ont même pas les mêmes prix. Tu euh, comment expliquer ce problème Mais, mais, c'est pour dire que chacun eh, met le prix qu'il veut. oui. Puisque si je pars chez le boutiquier de l'autre côté, on me vend le litre d'huile à 1000 francs. Je pars de l'autre côté, on me dit que c'est 1100 francs. Donc, où est le sérieux dans tout ça là Il n'y a pas de sérieux. Mais avant de revenir avec euh, les décisions comme ça, je pense que l'État doit d'abord analyser cette situation. -là. Merci beaucoup, mon ah, bah, Deux, petits trucs. En fait, un, quand la fermeture des mesures là sont intervenues, deux, trois jours après déjà, le prix du riz est monté pendant que personne n'a fait rentrer une seule tonne au Niger, ce qui est sur place là. Ah, après, le 30 juillet, après l'annonce des sanctions, des mesures de sanctions de la CDAO. Déjà, ça c'est grave. Et deux anecdotes, le mouchoir, le mouchoir là de papier de lotus, c'est passé de 100 francs ah, automatiquement à 125. Ah, Les œufs, un œuf qui était à 100 francs, c'est passé tout de suite à, 125 n'est-ce pas Comme s'ils ont fait des calculs qui leur disent que maintenant le prix du transport d'un neuf machin, et donc on doit augmenter 25 francs. Là, le kilo de banane est passé automatiquement de 700 à 1000 francs. 7, 300 francs de plus. Plus du tiers, plus de la moitié d'augmentation. Donc, autrement, et tu vas voir, on, si on ne fait pas de chance, aujourd'hui la CDAO va venir, les frontières vont ouvrir et tout, euh, la banane ne va pas descendre, rien ne va plus descendre à là où voilà. Donc c'est aussi de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. On a une courte pause. le Conseil des ministres euh, du jeudi 4 janvier passé a annoncé la dissolution du Conseil communal de Gaïa, conformément aux conclusions de l'enquête menée par l'inspection générale de l'administration territoriale. Le communiqué officiel expose des dysfonctionnements graves dans la gestion de certaines collectivités territoriales, en particulier celle de Gaïa. Au Sénissa cette annonce intervient dans un contexte où, depuis deux ans, le maire et une partie euh, des conseillers euh, municipaux euh, de Gaïa ont éprouvé des difficultés à parvenir à un consensus sur divers points, y compris l'adoption du budget selon des sources locales. Votre analyse D'abord, on aurait du tout dissoudre, normalement, et puis mettre des administrateurs délégués. On est dans un contexte d'exception. Pourquoi on va maintenir des gens Des gens qui sont là. On sait d'avance, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous insistez, c'est depuis le régime de Ju. On a connu ça où on enlève les gens, on met des administrateurs délégués, ceci, cela, un peu partout. Mais vous pensez que même au niveau national, au niveau central, même les choses se font mal. Comment voulez-vous qu'au niveau décentralisé, au niveau local, les gens respectent C'est des questions d'enjeux, d'intérêt et tout et tout. Et c'est ça qui fait le dysfonctionnement. Où le maire s'entoure avec ses proches collaborateurs, il décide de ce qu'il faut faire pendant que les autres conseils sont là. Il y a beaucoup de cas. Ça, c'est le cas de Gaïa. C'est peut-être un cas qui a été récemment. Mais si on va fouiller, on va découvrir beaucoup, nombre d'autres cas où les gens gèrent mal les collectivités, n'est-ce pas Il faut alors que le maire, son vice-maire, plus ceux qui sont là, ils, décident de comment gérer l'argent sans la, consultation des autres conseils. Moi, je dis, ce n'est pas nouveau. Tu être que euh, cette décision est dans les pipelines. Non, mais quelle décision On aurait dû faire ça et puis mettre des administrateurs délégués, n'est-ce pas en attendant qu'on revienne aux élections. Peut-être que ça arrive. Non, mais non, en attendant qu'on vienne aux élections. Aujourd'hui, Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de faire comme magouille. Il y a beaucoup qui sont trempés dans des malversations et tout et tout. Un temps, on a dit, on l'a dit, on avait dissous, on avait décidé. Et un temps, ils sortent pour dire non, on réhabilite. Les conseils restent en place. Pourquoi Pourquoi Selon vous, c'était une erreur monumentale. c'était une erreur. Il fallait même pas faire. Il fallait même pas. On fait pacter tout le monde. Maintenant, chacun va aller se chercher. Le jour où il y aura des élections, les gens vont venir celui qui est élu, il va venir siéger. Mais dans tous les cas, c'est à l'exemple de ce qui se passe au niveau central par rapport à la gestion. Au niveau central, où mais le niveau central, c'est quoi C'est ce qui se passe à Mais c'est pas autre chose. <laughs> mais c'est où Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, Memoune Diado. Selon la même source, la dissolution vise à remédier au dysfonctionnement constaté et à instaurer une gestion plus efficace au sein de la commune urbaine du Gaïa. Quelle solution durable préconisez-vous pour l'émergence de cette même commune urbaine du Gaïa la solution, c'est de mettre euh, les délégués. Les délégués spéciaux, les, les, administrateurs. Les administrateurs délégués, c'est tout. Parce que si c'est la même équipe où il faut chercher, euh, on a dissous, c'est vrai. Mais si encore on revient avec parmi ces mêmes personnes-là, on peut avoir des personnes qui peuvent revenir. Mais ça sera encore catastrophique. C'est-à-dire que de toutes les manières, ça ne tournait même pas bien. Et personne ne sait comment les dépenses se passent. Et maintenant, la solution, c'est quoi On a dissous. Maintenant, il faut mettre un administrateur délégué. C'est la seule option, selon Moi, c'est la seule option que je vois. L'administrateur délégué, on lui confie. Et voilà, on lui dit, voilà. La mission à toi confiée c'est ça, ça, ça, ça. Et on attend de toi des résultats. Point c'est tout. Moi, c'est ce que je vois comme solution. Merci beaucoup, Mamoun Diado. Arimi, le jeudi 4 janvier 2024, euh, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, a déclaré la dissolution du Conseil municipal de Gaïa. Votre opinion à ce sujet moi, je pense que les mairies, euh, les élus locaux ont été laissés à leur tâche parce que c'était fastidieux de les remplacer. D'abord, parce qu'il faut trouver, il y a 255 communes, il faut trouver 250 délégués. Bon, en fait, euh, c'est de quoi je parle. Mm. Qu'il faut désigner, donc il faut leur trouver un secrétaire général, il faut. Et aussi, tout le monde sait que le pouvoir a été peut-être transféré au gouvernement local, au truc, aux mairies, mais les moyens n'ont pas suffi. Donc tout ça là aidant, on euh, va de, de, de, compétences, non. Et tout ça là aidant, je crois qu'ils ont préféré laisser au moins à ce niveau-là euh, les choses se poursuivent normalement. Et malheureusement, dans des localités comme Gaïa, il semblerait que ce conseil qui vient d'être dissous n'a jamais euh, réellement bien fonctionné. Et les gens ont transporté leur guéguerre euh, politique et politicienne au-delà du coup d'État et donc ça ne fonctionnait pas du tout. Et déjà, vous savez, de Gaïa et aussi euh, frappé par. C'est une des localités qui souffre le plus de la fermeture de la frontière, des mesures de la CDAO et tout. donc, euh, malheureusement, on risque d'assister d'ici la fin de la transition à des conseils à double vitesse. Il y en a où on va avoir des délégués. Il n'y a pas possibilité d'organiser des élections partielles pour les remplacer. Et il y aura des conseils qui étaient élus et dont le mandat a été prolongé. Donc, selon vous, dans les jours, mois à venir, pense, comme il faut s'attendre à, à, la dissolution d'autres conseils aussi. Il y en aura. Donc, comme Ousseini, euh, moi, je pense que le CNSP aurait dû prendre son courage à deux mains et songer aussi au remplacement. Ils en ont fait pour tous les départements. Les préfets ont été changés, les secrétaires généraux ont été changés. C'est vrai que, bon, ils doivent se consacrer surtout aux élections. Les secrétaires généraux des, préfectures hein, ne sont pas encore. Bon, certains n'ont pas, été, oh, été changés. Bon, en tout cas, dans tous les cas, l'erreur a été commise et il faut gérer et faire vite pour que ça ne se répande pas. Oui, voilà quoi. Il faut trouver le moyen de mieux gérer gérer ça. à votre avis, qu'est-ce que les habitants de la commune urbaine de Gaïa peuvent espérer après la dissolution du conseil communal Mais est-ce qu'ils ont espéré déjà quelque chose euh, mais, c'est leur commune. Non, mais, non, mais est-ce que les gens travaillent, s'il te plaît Regarde la saleté, même quand tu regardes Niamey s'il te plaît. On, parle, de Gaïa, pas non, Mais, non, mais moi, je te prends un exemple qui, qui, a, sous les yeux. Alors, Bien évidemment, quand tu vas, tu vois comment les caniveaux, quand on enlève, c'est la même chose un peu partout. Qu'est-ce que les populations attendent Les populations. Vous, attendez aussi que le, conseil euh, au niveau de la ville de Niamey aussi. Les populations. Euh, soit je, vais dire, une chose. Voilà. vous n'avez pas la parole. Je vais dire une chose. Euh, les populations, c'est des bruits pour manger au quotidien. Maintenant, ce qu'on attend des communes un peu partout dans les villes, le plus souvent, les investissements ne sont pas faits, n'est-ce pas Je dis sous contrôle partout. Hein. C'est plus l'État central qui fait les investissements, les gros investissements. Même les travaux d'entretien qu'on attend de ces communes-là, souvent, ce pas les communes qui font. Parce que tout simplement, les gens, ils préfèrent mettre l'argent dans leur poche que de l'investir pour améliorer le cadre de vie de, de leurs Aujourd'hui, tu vas dire, eh, qu'est-ce que les gens attendent Ils attendent quoi Ils attendent la fermeture, l'ouverture peut-être de la frontière avec... Euh, ils vont faire leurs activités tranquillement. le fonctionnement de leur commune, le fonctionnement régulier. Quel fonctionnement régulier Mais ceux ils doivent censer, ceux qui sont censés, est-ce qu'ils le font honnêtement Est-ce qu'ils le font sérieusement Est-ce qu'ils font l'assainissement C'est pas évident. C'est pas évident, Mokhtar. Et puis même quand tu interpelles, on dit tu peux interpeller un maire ou un conseil, mais ça va changer quoi Il va peut-être tout au plus t'écouter et il va continuer à faire la même chose. Parce que tout simplement, les gens décident en fonction de leurs intérêts. Les investissements qui doivent être faits, les gens ne les font pas. On dit comment il s'appelle, plan d'investissement ou plan communal. plan communal. Mais on fait ça, mais dans la mise en œuvre, il n'y a rien. Après, à la fin, on vient, on fait dans un document que ce qu'on a atteint comme réalisation. Alors que c'est faux, il n'y a rien. Est-ce que c'est ça qui est attendu de ce conseil-là Merci beaucoup, Hussein Sajibo. Memoune Diado, à votre avis, qu'est-ce que les habitants de la commune urbaine de Gaïa peuvent espérer après la dissolution de leur conseil communal Ils vont continuer à payer les taxes et ils ne seront pas en tout cas mis dans, <laughs> en tout cas dans, dans les meilleures bonnes, conditions dans très de bonnes conditions de vie. Parce qu'il faut d'abord chercher à savoir combien est-ce que ces populations ont investi au niveau de cette commune pour pouvoir euh, savoir d'abord qu'est-ce qui a été dépensé, qu'est-ce qui n'a pas été dépensé, parce que la population a besoin, a droit de savoir où circule son argent, ou qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on prend comme taxe avec ces populations-là. Voilà, moi, ce, que je suis sûr que bon nombre de ces populations veulent voir réellement le constat sur place de qu'est-ce qu'ils ont dépensé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dépensé et où est-ce que leur somme, l'argent, là, ça rentre où Ça a amélioré quoi Est-ce qu'il y a eu des dispensaires aujourd'hui qui ont été améliorés dans le cadre de la santé Est-ce qu'aujourd'hui, un enfant, par exemple, qui est atteint de paludisme, quand il va au niveau donc, de ces centres de santé-là, est-ce qu'il a droit de meilleurs... Euh, ah, au minimum. Au minimum. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la femme, par exemple, qui vend son farima, ou... Ses galettes. Ses galettes-là, est-ce que ce qu'on prend à cette femme-là, au retour, est-ce qu'il y a une amélioration des conditions de cette femme-là au niveau de cette commune-là Ou est-ce qu'aujourd'hui, le jeune qui espèrent aujourd'hui avoir de quoi euh, subvenir à ses besoins ou bien travailler, les bras valides et tout, où est-ce que ces jeunes se situent dans cette commune-là C'est ça qu'il faut se poser la question. Merci beaucoup, Mme Gado. Abachararimi, allez-y. En fait, les mairies offrent des services euh, qui aujourd'hui sont indispensables. N'est-ce pas C'est l'état civil, c'est la voirie, aussi c'est les taxes de marché. Tout ça, euh, oui, bien sûr, ils ont la, santé, l'école et tout, ils accompagnent. Et donc, c'est indispensable ce qui fait que euh, rapidement, n'est-ce pas, le CNSP doit mettre un conseil euh, délégué en place, n'est-ce pas Une délégation, spéciale. qui va s'occuper de, euh, de, conduire cette tâche-là jusqu'à la fin de la transition, sinon jusqu'à, jusqu'aux élections futures locales euh, qui, on espère, ne vont pas trop tarder. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Sajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs et internautes pour votre fidélité au studio Kalangou. Euh, rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hossa et dimanche euh, celui en Zarma. Si vous nous avez suivi en cours de diffusion, pas de soucis, rendez-vous sur notre site internet www.istudiokalangu.org et sur nos réseaux sociaux. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Issa Et C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.